crois que la première visite que j'ai effectuée à l'extérieur de Dakar, ça a été Ziguinchor. Et par la même occasion, je suis retourné sur le chantier de Carabane. Carabane, un grand sujet. Je crois qu'après le, le, port de Ziguinchor, on était plusieurs euh, dans l'équipe à vouloir euh, réaliser ce chantier. Au début, nous avions des appréhensions en nous disant que le coût du matériel à transporter, les conditions de transport feraient que ce serait l'un des chantiers les plus difficiles du Sénégal. Mais il faut dire vraiment que nous avons été impressionnés par ce qui a été fait là-bas. J'ai trouvé des populations qui étaient inquiètes, qui se posaient des questions. Est-ce que ce projet allait voir réellement le jour Nous avons pris un site où il y avait avant un appontement en bois. Avant le démarrage des travaux, on a constaté que les pieds en bois étaient encore sur place depuis la période coloniale. Donc, ce qui montre l'importance de ce site. Tout ce qui se produit en Casamance s'embarquait à partir d'ici. Historiquement, Carabane représente beaucoup de choses pour la région naturelle de la Casamance. Carabane fut un port important. Carabane a eu à avoir son église en 1892. C'est la deuxième dans le département, dans, le, la Casamance, à part celui de Sédiou. Surtout que c'était un pôle un hub, si vous voulez, pour tout ce qui est produit du cru. Puis, euh, il y a eu ce que vous savez. Le drame du Diola, euh, Caravan a joué un très grand rôle dedans. Malheureusement, à son corps défendant, parce que les conditions d'embarquement des passagers et des marchandises étaient catastrophiques. Et avec l'accident du Yola, nous nous sommes dit que nous allons renforcer les conditions de sécurité et de sûreté. C'est ce qui a justifié la réalisation de cet ouvrage de caravane. Ce qui s'est passé avec le Yola, en tout cas, a fait beaucoup réfléchir, notamment sur le problème de la sécurité. Aujourd'hui, je pense que le bateau, le Yata, pour ceux qui l'ont visité et qui ont effectivement écouté toutes les informations, c'est que Effectivement, ce bateau a été taillé sur mesure. On avait mis en suspens cette escale en attendant la construction d'un quai hein, qui pourra accueillir ce bateau. Nous-mêmes, lors de nos premiers déplacements sur l'île, pour informer les populations que l'État avait pris la décision d'aménager un ouvrage, ils n'y croyaient pas. La pauvreté s'était accentuée parce que Carabane ne vivait que par le bateau, le Diola.

comme entreprise. qui a eu à réaliser pas mal d'infrastructures maritimes au Sénégal. Donc on était sûr que c'est une entreprise valable qui va faire les travaux. Le chantier de construction d'un appontement à Carabane est, pour nous un chantier atypique et, et exceptionnel pour plusieurs raisons. D'abord, on est loin de nos bases, on est, on est en Casamance, sur une île qui est évidemment très isolée. Et donc les aspects logistiques sont essentiels pour réussir ce chantier. Nous sommes venus ici je dirais, entre guillemets, un peu à l'aventure. L'ensemble de nos équipes, dont une, partie venait de, Dakar, voire plus loin, a dû s'intégrer. Euh, le début, c'était un peu difficile parce qu'on n'avait pas euh, l'habitude de travailler sur des zones trop enclavées qui nous manquaient beaucoup de choses. Il a fallu créer toute une logistique qui a fait que bon, il fallait faire tout venir de Dakar. À partir de là, on a commencé à s'apercevoir que sur une île, euh, tout n'est pas si facile que ça. Donc je crois que dès, le début, il a fallu euh, que les équipes techniques mettent en place un projet euh, adapté à la réalité. C'est également un site particulier, dans un environnement protégé, un site touristique, également un site historique. Donc nous devions tenir compte de l'ensemble de ces contraintes pour réussir ce chantier. Mener un projet ici à Carabane n'est pas aisé. Il y a les contraintes techniques habituelles pour ce, chantier euh, qui est quand même d'une envergure importante. C'est des travaux maritimes, donc ça fait appel à tout notre savoir-faire en la matière. C'est un ouvrage sur pieux, pieux battu à 33 mètres de profondeur. Il a été construit sur pieux également pour, dans le but de, comme on est dans une zone qui est très érosive, l'ouvrage euh, fait 100 mètres de long, 20 mètres de large, avec deux plans inclinés autorisant l'accostage du navire dans toute sécurité. Nous sommes davantage confiants en la sécurité de la liaison maritime dakar d'une part, mais ce n'est pas le seul aspect. Les autres aspects tiennent au développement économique et social de l'ensemble de la zone sud. Si on arrive à partir de ce port à promouvoir l'escale dans des conditions de sécurité normales, c'est dire qu'on va booster le tourisme avec tout ce que cela peut comporter en termes économiques. Nombreux seront les touristes qui, en provenance de Dakar, empruntant le bateau en l'île euh, seront peut-être tentés de débarquer euh, à Caravane à partir de ce ponton. Je pense que ça va être vraiment un lieu très important dans le développement de la zone, ce qui va contribuer davantage à l'avènement de la paix que nous attendons parce que ça va pouvoir permettre de lutter fortement contre le chômage l'île s'est valorisée il faut le reconnaître beaucoup d'activités se développeront au niveau de Zingachor, notamment des marchés hebdomadaires peut-être et d'autres activités liées au transport maritime dans la zone. Donc tout ce qui économiquement aide les populations à avoir un meilleur sort contribue du coup au règlement de cette euh, crise euh, euh, sociale-là qui, hélas, dure voilà, maintenant bien des décennies. Les populations de Karabakh n'ont rien d'autre et les villes environnantes n'ont rien d'autre que si ce n'est que de remercier le gouvernement sénégalais qui a eu à financer à part entière ce projet. Nous gouvernement sénégalais Merci Je crois que ce projet euh, va faire partie des, projets phares euh, des Fages Sénégal. Finalement, une expérience très riche pour euh, l'ensemble de nos équipes qui ont, qui ont vécu ce chantier pendant les, trois ans de, sa réalisation. Et je pense qu'aujourd'hui, que nous sommes sur le, repli, beaucoup ne souhaitent qu'une chose, revenir travailler dans cette région qui est quand même magnifique et qu'on apprécie beaucoup. C'est sûr qu'en quittant ici, nous aurons la saudade. Après trois ans passés là, allez, je vais être bref et vous faire un petit saudade. Quem que mostrava esse caminho longe, esse caminho de caravana? Saudade, saudade, saudade, minha terra de caravana ana kula la woon yoon bile ana kula la woon yoon bile ba fële ci karaban namba Karabandi nala namba karaban oy